Les Nigériens ont célébré lundi dernier la fête de Tabaski dans la ferveur et la communion, mais aussi dans une situation de sécheresse financière. Ceux qui ont acheté les moutons pour le sacrifice l'ont durement ressenti. C'est cher, c'est cher. J'ai acheté trois moutons, 70, 70 et 60. Donc vous voyez, euh, c'est tout un salaire comme ça. Je suis venu accompagner un ami. Il voulait trouver une chèvre pour accompagner ce qu'il avait acheté déjà. Jusqu'à présent, il n'a rien vu. Tout ce qu'il demande, c'est vraiment pas abordable parce que c'est cher. Personnellement, j'étais venu acheter mon mouton hier. C'était très très cher. Et puis, ce regain de violence à l'ouest comme à l'est du pays, en début de semaine, c'est le camp de réfugiés de Tabarbarei à Ayuru, frontière malienne, qui a été attaqué par des inconnus. Bilan, deux morts. Benoît Moreno, chargé des relations au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, raconte ce qui s'est passé. C'est une attaque qui est survenue euh, entre 10 h et 11h, euh, qui a visé le poste de police, euh, fait le poste de sécurité du camp, qui a causé la mort de, deux réfugiés par balle perdue, une mère de trois enfants, dont deux jumeaux de trois mois et un jeune garçon de, cinq ans. Et on dénombre aussi cinq blessés, dont un dans un état grave et qui a été transféré à l'hôpital de Sidabéry. À l'est, c'est le village de Toumour qui a été attaqué le jour de la fête. Bilan, cinq morts et six blessés parmi les forces de défense et de sécurité. Le 14 septembre, d'autres éléments attaque le village de Geskirou, à 35 km de Difa. Pas de victimes, mais ils ont mis à sac les deux tiers des boutiques, une pharmacie et emporté des vivres. Lundi, le sous-secrétaire général des Nations Unies, coordinateur humanitaire régional pour le Sahel, était dans la région. Toby Lanzer parle de situation difficile. Dans le domaine de la sécurité, oui, c'est difficile, mais il faut vraiment saluer euh, le travail des autorités, le travail des ONG, le travail des agences onusiennes sur le terrain. Et le travail continue dans tous ces, ces villages longue de la route nationale entre Bosso euh, et Difa et à l'ouest de Difa il y a vraiment une situation assez dramatique. Pour le reste, retenez la sortie hier du syndicat autonome des magistrats du Niger pour dénoncer les nominations des présidents de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Le Saman envisage une journée justice morte et demande la démission de ses membres du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, les militants du parti Lumana région de Niamey sont très contents depuis ce matin. Leur coordonnateur Soumana Sanda et cinq autres co-détenus ont été libérés après dix mois de prison pour incitation à un attroupement armé et trouble à l'ordre public.